c'est une simple formalité. On va vous laisser le soin de vous présenter. Qui est M. Amadidjan et qu'est-ce que c'est qu'un aram de façon euh, Merci. Tout d'abord, euh, je vous remercie. En tout cas, je pense que c'est un énorme réconfort d'avoir euh, Chess Info dans mon bureau euh, pour m'entretenir avec vous au sujet de la rencontre des acteurs et mouvements pour l'émergence, la rampe. À l'entame de mes propos d'abord, je dirais que moi je m'appelle Hamadi Dien, je suis le directeur des de constructions au ministère de l'Intérieur depuis 2012. Je suis membre euh, de l'Alliance pour la République, l'APR, président Macky Je suis membre de son directoire politique. Je suis acteur politique euh, à Canel, dans le département de Canel, et à Wakam, dans le département de Dakar. Et en même temps, je suis le coordinateur de la rencontre des acteurs du mouvement pour l'émergence de La Rampe. Euh, est-ce que vous pouvez revenir euh, de façon ramassée euh, et brève sur les missions de, la Rampe Voilà. je pense que c'est important de vous me donner une opportunité. La Rampe, c'est comme son nom l'indique, c'est une rencontre des acteurs et mouvements pour l'émergence. Donc, c'est des hommes et des femmes qui étaient actifs, qui étaient dans une perspective euh, de soutenir le président de la République, qui se sont retrouvés pour créer un cadre de concertation, de partage, pour davantage assimiler, pour ne pas dire euh, connaître ce que le président veut pour ce pays-là, ce qu'il a structuré autour de sa vision, une nation prospère et solidaire dans un état de droit. La profondeur de cette pensée fait que nous avons estimé que notre première mission, c'est de l'impulser pour que les Sénégalais s'en approprient et puissent suivre ce que le président est en train de faire pour notre pays. Au-delà de cette vision, parce que pour la réaliser, il fallait l'exprimer dans un programme économique et social. Et ce programme existe, c'est le plan Sénégal émergent. Nous estimons aussi, avant de pouvoir apprécier les résultats du plan Sénégal émergent, il faut d'abord connaître le contenu de ce programme, ses différents aspects en termes de réformes, en termes de programmes à réaliser, structurés autour des trois axes constituent le plan Sénégal émergent, la restructuration de l'économie, de notre économie, le capital humain et la gouvernance et la sécurité. Si on ne maîtrise pas ces aspects et quel est leur link, leur relation, on ne peut pas comprendre que la croissance, elle est obtenue parce que la transformation de l'économie a commencé cette croissance obtenue, elle est durable parce que le capital humain a été mis en position et tout ça ne peut pas être possible si la gouvernance et la sécurité ne sont pas prises en compte. Et c'est pourquoi nous estimons qu'il faut qu'on explique aux Sénégalais euh, la nouvelle nomenclature de la politique au Sénégal qui, est, qui a été proposée par le président de la République. Et voyez-vous, je le, dis souvent, si nous sommes amenés à mettre en place la rampe, c'est parce que quelque part, notre parti connaît des difficultés ou bien connaît des retards en termes d'organisation et de structuration. Et la vie politique, nous ne pouvons pas se faire en dehors d'une organisation de structuration. Donc, euh, nous avons des difficultés pour véritablement prendre en charge la vie politique de ce parti-là. Et les conséquences, tout le monde le sait, c'est que chacun est responsable chez lui, chacun est chef chez lui, chacun fait ce qu'il veut, chacun dit ce qu'il veut, il n'y a pas de coordination, il n'y a pas de concertation, il ne peut pas y avoir d'unité. Parce que nous, à la rampe, on dit que l'unité se structure autour de trois aspects. L'unité idéologique, l'unité politique et l'unité organisationnelle. Nous avons l'unité euh, euh, euh, idéologique parce que la vision du président aujourd'hui constitue ce que nous devons nous faire, ce que nous devons en faire notre idéologie. Euh, l'unité politique existe parce que le plan sénégalais émergent est l'aspect pratique vers laquelle il faudrait qu'on s'intéresse, il faudrait qu'on prenne en charge pour répondre aux exigences des Sénégalais qui nous ont élus en 2012. Mais ce qui nous a manqué, et qui ne peut pas manquer à un cadre, à une structure qui veut gérer un pouvoir, c'est l'unité organisationnelle. Et c'est ça qui fait faute. Nous, on a l'habitude de dire que toutes les questions politiques se résument en des questions d'organisation et toutes les questions d'organisation se résument en termes de méthode de travail. Alors donc c'est pourquoi, voyez-vous, la rampe se veut ce réceptacle, ce cadre unitaire, ce cadre qui appelle au retrouvailles, ce cadre qui appelle à la sérénité et à la sincérité dans l'action de soutien aux actions du président de la République. Parce qu'au-delà de ce que le président pourra poser comme acte, euh, les techniciens qui sont autour de lui, leur mission c'est d'informer. Mais le relais politique la prise en charge de la communication politique, c'est les politiques qui doivent le prendre en charge. Et cette prise en charge doit être structurée, organisée et validée par tous les acteurs qui ont une place et un rôle à jouer dans ce processus-là. Je pense que c'est ça qui nous manque. Euh, et c'est pour cela que la rampe est née. Et c'est dans ce terrain-là que la rampe se déploie. Et c'est par, par ce moyen-là que nous entendons, en tout cas, apporter le soutien total euh, que, que, le président, que nous devons au président de la République pour tout ce qu'il est en train de faire pour notre pays. De façon concrète, comment comptez-vous y prendre sur le terrain Bon, sur le terrain, pour l'essentiel, nous, nous avons deux activités euh, qui ne sont pas qui sont, qui sont liées. C'est-à-dire c'est l'activité politique et l'activité de développement. Parce que nous, nous pensons que l'activité politique n'a de sens que s'il sert le développement. C'est pourquoi nous, nous parlons de politique de développement. Et par conséquent, notre activité politique pure, c'est que nous devons encadrer nos membres, nous devons les former, nous devons les préparer à assumer la mission de prise en charge euh, de l'impulsion de la vision du président et du soutien des actions du président. Alors ça, c'est d'une part. Euh, d'autre part, euh, prendre aussi en charge leurs préoccupations et la préoccupation des populations. Parce que nous estimons que les jeunes organisés qui viennent vers nous, les femmes organisées qui viennent vers nous, les cadres organisés qui viennent vers nous, nous devons faire en sorte que leurs préoccupations, dans le cadre de leurs projets, dans le cadre des formations dont ils ont besoin, dans le cadre des encadrements dont ils ont besoin, qu'on puisse véritablement se dresser pour pouvoir les accompagner dans tout ce qu'ils entreprendront dans ce sens-là. Et de ce point de vue-là, nous, nous sommes en train de le faire. Mais aussi, euh, dans notre pays, il y a des populations vulnérables parce que le social est déterminant dans toute action politique. Parce que les populations défavorisées, il faut aller à leur secours. Il faudrait les aider, il faudrait les encadrer, il faudrait les soutenir. C'est pourquoi nous, nous avons mis un accent très fort sur euh, cette dimension-là, soutenir les, les, plus, les, plus défavorisés. L'exemple sur lequel nous sommes pour le moment, c'est les femmes veuves, les orphelins, euh, les enfants scolarisés mais vulnérables, c'est-à-dire où les parents n'ont pas les moyens toujours de leur fournir ce dont ils ont besoin pour véritablement euh, poursuivre correctement leurs études au niveau des établissements euh, élémentaires comme, secondaires. Donc voilà à peu près les activités autour desquelles on structure nos programmes, mais aussi nous travaillons pour que dans la sous-région, que dans la sous-région, que euh, les peuples, ce que nous avons appelé la Sénégamie des peuples, mais aussi le rapport entre la Mauritanie et le Sénégal des peuples, que les populations comprennent que c'est la même famille qu'on n'a pas besoin, on, est déjà, on a déjà fait le travail, le, déplacement pour la Gambie. Si vous nous avez suivis, il y a un an et demi, on est parti à la suite de la victoire du peuple gambien sur la dictature de Djamé, lorsque le président est intervenu euh, de façon, d'une façon intelligente et stratégique pour, libérer le, pour aider le peuple gambien, euh, à se libérer. Nous avons fait la fête nous nous sommes déplacés avec plus de 500 euh, Sénégalais dans plus, de 15 bus pour aller à la Gambie communier avec les Sénégalais qui sont là-bas, mais communier aussi avec le peuple gambien. Donc, vous voyez, voilà nos missions. Et nous estimons qu'il y a tellement à faire qu'il n'y a pas de place au querelles, il n'y a pas de place au tiraillement, il n'y a pas de place au si santé. Il y a de la place pour tout le monde, pour accompagner le président. Pourquoi nous l'accompagnons Parce qu'il est situé dans la phase de la prise en charge des problèmes des Sénégalais. Si le président ne travaillait pas pour le Sénégal, je ne serais pas avec lui. C'est parce que j'ai compris qu'il nous a installés dans une voie qui fondamentalement, si elle est comprise par les Sénégalais et assumée par les militants politiques et tous les sympathisants et tous les acteurs sénégalais qui ont de l'énergie et de la conviction euh, dans ce, ce sens-là, il n'y a pas de doute, nous serons dans la victoire. C'est pourquoi nous avons dit que le mandat de 2019, c'est le mandat du pétrole et du gaz. Personne ne doit le rater parce qu'il installera définitivement le pays dans l'émergence. Et ce que nous pouvons faire aujourd'hui sera, sera multiplié par 10. Donc l'espoir est permis il faut se battre pour ne rate pas ce coach. Et justement, vous avez, dit, justement, votre champ d'action euh, d'intervention ne se limite pas dans la capitale. Dakar, vous avez dit, que vous avez une base à Canel, euh, dans ma chère région que j'aime bien, la région de Matam, euh, vous vous préparez pour aller dans l'intérieur du pays. Déjà, euh, deux grandes dates. Oui, c'est-à-dire que la rampe est une structure nationale et internationale. Nous sommes présents dans la diaspora, nous moi j'ai fait 20, 25 ans presque dans la diaspora. Euh, avant 2012, presque c'est moi qui ai fait le tour de l'Afrique de l'Ouest et de l'Afrique centrale pour installer les directions des Sénégalais à l'extérieur. Donc, c'est de quoi je parle. Nous sommes présents donc partout. Et bien sûr, notre activité se structure autour euh, étant national. Donc nous sommes obligés, nous sommes tenus d'être présents partout. Déjà, nous sommes présents à Thiès, à partir de nos camarades qui, qui, qui travaillent. Nous avons un siège social, nous avons des activités. Je pense que vous avez constaté pendant les élections législatives euh, le rôle et la mission, les missions que la rampe a joué là-bas. Maintenant, nous avons développé depuis une quinzaine de jours euh, à la suite donc de nos point de presse, nous avons dit que nous avons entamé notre entrée politique. Euh, donc ça signifie pour nous quelque chose. C'est pas du verbiage, c'est pas la parole, c'est les actes, c'est les faits. Donc ça signifie que nous commençons à redynamiser nos bases, à structurer notre politique, à dégager et à mettre en place des feuilles de route, mais surtout à aller vers les populations. Surtout euh, euh, à un peu commencer ce que nous appelons la pré-campagne en direction des élections de 2019. Et c'est pourquoi après Dakar, nous avons estimé que nous devons être HS, euh, la ville euh, double gare, donc la ville, nous savons, qui est politique, la ville où véritablement euh, le président de la République, à laquelle le président de la République est très attaché, pour plusieurs raisons. Des raisons historiques, des, raisons de, de, la qualité de la valeur des, hommes et des femmes qui vivent dans cette, dans, dans, cette cité-là. Donc par conséquent, le 23 et le 24 euh, février, nous, la rampe sera à La rampe sera à avec d'abord tous les Thiessois. Inch'Allah. La rampe sera à avec ses amis, ses camarades et ses sympathisants. Euh, il sera à caisse avec tous ceux qui voudront, euh, en tout cas, euh, nous recevoir, venir nous écouter, venir nous parler, venir aussi nous informer et nous former. Parce qu'on peut gagner beaucoup de choses à Thiès. Et nous sommes convaincus de ça. Donc la journée du 23 sera une conclave, si je peux le dire, entre camarades euh, de la direction, la scène, le collège exécutif national de la rampe, et la direction, la section de la région de Thiès ou du département de Thiès. Et le samedi, ce sera la rencontre avec tous les acteurs, euh, sympathisants, euh, amis, tous les curieux qui veulent savoir exactement ce qu'est la rampe et ce que nous voulons apporter euh, comme contribution à la structure euh, que constitue le, camp présidentiel pour véritablement que les élections de 2019 soient des élections victorieuses pour le président dès le premier tour. Donc nous invitons tous les Tchessois sans exception, particulièrement nos camarades, euh, membres de la PR, l'Alliance pour la République, membres de Benoît Bokoyakar, et tous les mouvements de soutien organisés, structurés, autour du président de euh, euh, pour le soutien du président de la République qui sont à Thiès. Nous les invitons à venir partager avec nous euh, ce moment d'échange, ce moment de retrouvailles, mais c'est ce moment d'explication pour qu'enfin euh, puisse définitivement rejoindre le camp de la mouvance présidentielle pour que Thiès bascule définitivement dans le cadre des perspectives de 2019 et élise dès le premier tour le président de la République. Voilà en gros ce que je veux dire de, cette, euh, de ce week-end-là. C'est un week-end à Thiès. Et ces rencontres-là, nous les, appelons les causeries de la rampe, que nous voulons euh, déplacer à l'intérieur du pays, discuter avec les populations pour davantage euh, aider à mieux comprendre ce que le président veut pour ce pays et ce que le président de la République est en train de faire pour ce pays, pour que chacun puisse lui aussi déterminer sa position et avoir un engagement

et pour ndaje moo xam ne dafa dajale bépp euh, sénégalais boo xam ne taxaw na te dafa taxawoon pour ànd ak président Macky ngir jàppale ko pour mu teg Sénégal ci yoon yokkute yoon yoon yoon boobu nag yaakaar naa ne Sénégal yu Sénégal yu bari gëm nañ ne yoon boobu rek moo mën a yóbbu Sénégal foo xam ne amal na Sénégal njëriñ euh, mais xam nga ndaje nekk benn. baax na mais ndaje mu ëpp mu ëpp solo mu ëpp doole loolu moo tax ñun ñu gis ne euh, comme ñooñu am na nit ñi am na ñu nit yi nit yooyu am na mais aussi kuréel yu mel noonu aussi am na ñu xam ne dañuy dañuy taxaw euh, organiser wu pour jàppale président Macky ñu ne nag yoon bi moo di ñu fexe pour ñu ànd nekk benn gën a dooleel suñu bopp mais aussi gën a dooleel président Macky loolu mooy indi ramp euh, dama koy faral di wax ne. peut-être suñu parti bu bu nekkoon ci tànk yoyu ñun duñu def lolu mais nañu gis né parti bi dafa am galancor gàllankoor yi ci ñun la nek euh mënuma ci wax ken moy responsable mais non la yalla dogalé non la ko président tégué parce que moom moo moom moo moom moo teree organisation bi structuration bi xamna amna raison am bi ñun gëm nañ ne en tout cas man Hamady Dia ak ñuma andal gëm nañ ne organisation moy tax yoré politique yomb su dee da ngay politique organisation sa politique du yomb yaakaar commencé ko parce que président def rafet euh, amal réew mi mais côté politique bi des na parce que suñu suñu ànd jàmm yi suñu ñu bokkal ram ñu ñu bokkal plutôt APR pas euh, bi bari na xëccoo bi bari na bi bari na du du du du donc loolu moo ñu ñu ne dañu wara a tegaat ou bien teg kuréel gi mu xamne buñu bu ramp donc ndaje la lolu dafa am importance ndaje ça signifie que ñun euh woowu ñu nit ñi pour ñu wëlbati ci lu noonu ñu nekkoon ou bien ñu bàyyi lu ñu nekkon di ñew ñu ñu topp déedéet ku nekk ci lu mu nekkoon lu baax ci lu mu nekkon ci andak ak président dañ koy dañ ko ci si bàyyi mais gungé ko ci lolu pour gën ko dëgëral gën ko jappalé gën fessel fësal taxawaayam ak liggéeyam alors lolu motax tax bi yomb parce que woowu ñu nit ñi pour ngeen ñew Top Samba ou bien top damba, ou bien bàyyi ngeen def top luñu def déedéet ci lu nga nekkoon ci lu nga bëggoon parce que lool moy sa yoon loolu sa nit bëgg pour jàppale président ci yooyu rek ngay nekk ñun nak rafetal diggante yi rafetal xalaat yi mais gën former encadrer nit ñi pour ñu gën xam président ci lan la nekk lan moy gis-gisam lan moy programme ça c'est très important parce que xam-xam bobu moo tax. Euh, bu ñu waree joxe xalaat ci liggéey bi ñu xam fan la ñu war a commencé fan la ñu war a yem am na ñu bari ñuy wax ci programme président xamuñu dara ci programme président am na ñu bari faale ñu gis-gis président sax ñoom nañu wax rek loolu nag baaxul parce que day yàq lu bari ah donc loolu moo tax ramp juddu ramp nag euh, mbooloo ñëpp la c'est-à-dire ñu nga xam ne nekkoon nañu ci APR mais mënuñu liggéey ci APR parce que activité vie politique bi dafa des euh, ou bien dañu mer gisuñu seen bopp bëgg dem feneen ñu ñu yaakaar ne leen pour récupérer pour les leen ci rampe jox former pour mu président de la république parce que ñu bari ci yi problème c'est que nous, dégg gis président nous dégg président mënuñu gis responsable yi responsable effectivement xel xel alors nous, ñoo aussi ñoo ñu nous, Nous, ñeneen ñu politique mais nekkuñu ci APR ñu won ci Macky Sall mais léegi dañu duggal delu ñew ci Macky Sall parce que ñun gëm nañu dañu war a ubbi parti bi dañu war a ubbi ñu bëgg ñew ñëw président Macky Sall waruñu siis kenn waruñu euh, tey ken ñëpp war nañ ñew parce que politique plus le du moins loolu mooy amal njëriñ président loolu mooy amal njëriñ parti bi troisième euh, cible bi modi di ñu nga xam defuñu politique ay acteurs de développement aurait seen association aurait seen activité de développement euh, nekk xale nek nekk jigéen mais bëgg nañu gungé président ci liggéeyam buy buy mu xam dafa bëgg a Sénégal ci yokuti. alors mu ñuy dem ci parti politique ñu woo leen ci rampe donc gis ngeen rampe rencontre la ndaje la ñu nga dañu bëgg réew mi euh, naat dañu bëgg réew mi am yokuti. mais and ci sa président président parce que président am na lu mu yëkkati te lu mu yëkkati li bo nekkee sincère boo xam bëgg nga si réew xam nga ne yoon euh, pour yegg ci yokkute il faut nécessairement am yoon bu leer am gis bu leer ah président de lu mu teg ñun gëm nañ ko te yaakaar naa ne buñ ci jàppee incha bi yàlla buñ si jàppee dana baax lool lool lool lool donc loolu mooy liggéey bi loolu mooy récept réceptacle bi bu ñu waxee loolu nag dañu ne comme nangu nañu daje nañu nekk benn suñu mission moo di gën a fësal gis président parce que gëm nañ ne ñun rampe... ramp Sénégalais yi bu ñu lan président Et, euh, maîtriser ko baaxa baaxa baax lu ça c'est la première chose la deuxième chose bu ñuy aussi programme président plan Sénégal émergent lan la lan et bu ñu rapport entre politique globale bi mu plan Sénégal émergent ak politique spécifique yi moy plan plan PUDC gis nga. Euh, mais yo xam yo xam ko yombul mais parce que explication bi ñëwul euh, euh, ñi ni dañ ko dañ koy wax rek di di réciter mais du lolu continue bi lañ wara jox nit ñi bon continue bi lañ wara jox ni pour gëna expliquer nit ñi politique yi la président teg c' pas des c'est pas des politiques occasionnelles c' est pas des des des schémas ay politique lañ li xam ne dañu leen wara évaluer en certain temps pour xam seen impact ci vie socio économique réew mi alors nous yëg amul ci dama jot benn misaal bourse familiale ñu ñu bëri dañu ne sarax la ñu ne euh, politique non bourse familiale politique la politique la teg bu leer nañ évoluer dans 10 ans cinq quinze ans hein? parce que boo gisee ñu ne famille famille ne loxo non c'est pas pour ñu lekk non non c'est pour que seen doom nous, ak seen doom yi loolu nag c'est sur 10 ans 15 ans c'est pas bien de loolu moo tax ñu nga xam ne dañuy wax ne euh, euh, euh, nekkoon 300000 familles léegi nekkoon na 400000 familles c'est que ndóol bi dafa yokku xam dara parce que 1200 familles moo am ndóol Sénégal 300000 ça signifie qu'il reste encore combien presque les 80 on n'a pas encore pris les 80 donc il faut que nous, nous, nand comme que ñu nand ci lan nekk ah donc avec le du sarax ay objectif politique clair pour qu'on ramène dafa nekkoon situation de de précarité munul yore boppam munul mu yóbbu boppam mo munul yóbbu doomu école munul faj boppam bu bu feebaree munul trois repas yi di ko lekk régulièrement kooku am na si ñu nga xam ne ñu si bëri sax d'ailleurs mosuñu jàpp vingt cinq mille francs en an at bu nekk at at at mel lem du du gis vingt cinq mille francs alors ñu ne ko nag xaalis bi lu tax ñu jox la ko pour sa doom mun a dem école pour sa doom mun a faju bu feebaree pour yow nga mun a seet lu nga ban petite activité économique ñu xam ne euh, euh, euh, day day day day am rentabilité nga jënd ko pour yow tamit nga participer à la construction de ce pays ak ak perspective demain sa doom bi dana tekki génn la si ndóol donc loolu si c'est une philosophie très claire boo xam ne politique la boo xam ne on ne peut pas l'évaluer en un jour ou en deux jours en un deux ans trois ans c'est sur dix ans quinze ans qu'on va l'évaluer. loolu taxawaay boobu ràmp jóg na pour Sénégal yëpp waxuma Sénégal sax yéen wax. Sénégal ak diaspora yëpp mon frère pour gën a fësal euh, politique bi xam nga euh, gis-gis dafa baax nga ku nga xam ne nga bokk si réew euh, yaa ngi def politique mais yaa ngi taxaw pour jàppale sa réew nga xam ku la jiite lan la bëgg fan la bëgg yóbbu ban moyen la taxawal pour yóbbu la foofu et yow tamit nga xam ci loolu lan moo war a nekk sa taxawaay alors damay faral di wax ne boo gisee débat politique bi tey opposition bi ñoom seen xeex. moy jël nguur alors que ñun président Macky Sall xeexam mooy def construire le développement du benn du benn alors donc c'est c'est compliqué alors et c'est pourquoi ñoom amuñu proposition yu def critique rek la def même loo xam ne ñu ngi si teg seen bët dañ koy critiquer ah, donc yaakaar naa ne loolu mooy faiblesse bi donc rampe loolu mooy liggéeyam gën a fësal gis-gis président gën a yëkkati action président pour nous ñi juger mun waxu ñu le baxna na ñun waxuñu lépp baax ne mais baxna nit ñi lu bax ñu le baxna lu baxul ñu le baxul mais baxul bi modi nan nan lañu nan ban pexe lañu wara tek pour gën ko baxal lool mooy philosophie politique alors donc politique waxtan la biso la euh naa na ci tànk yoyu lay ramp dem danay danay dem ci ci tourner tourner tourner bi national lay nek c'est-à-dire dañ def fu nek inshallah lool loolu tax ñu ne ñun amuñu temps léegi la ñu commencé xaaruñ suba xaaruñ euh, gannaaw suba. Thiès c'est le 20 Thiès 23 et 24. ñëw fa nag bëgg a dajee ak ñëpp waxtaan ak ñëpp alors euh, vendredi bi suñu biir la ñuy waxtaan ñun ak responsable bi fa nekk ak ñoo xam ne ñu jógee fii te bokk ci direction ORAMP euh, waxtaan pour teg leeral liggéey bi lan saytu liggéey bi et leeral rencontre 24 bi nan la demee rencontre 24 bi nag Thiès yëpp la invité surtout responsable yi commencé di responsable APR responsable Benno Bokk responsable mouvement de soutien du FNEC. Nous sommes là pour soutenir le président de la république ak cadre du FNEC, fa euh, peut-être amener à ay laaj yu ñu bëgg peut-être amener na euh, critique yu ñuy bëgg def parce que nous dañuy ubbeeku ci lépp la rampe du sommes nga xam ne day dañuy di di di féliciter président rek ou bien di président rek dañu dañ ko bañ ñun esprit critique ñu am parce que critique bu ne bu baaxee bu critique positive Boko sayto boko utiliser euh, dam utilisé dans donc euh, ngi euh, ñu ngi remercier aussi camarades yu fa ñu ngi len di wax nous nañu yaata liggéey bi nañu recevoir ci en tout cas nous sommes nañu pour ñëw nous nous nous président de la République nous xamné 19 ndam rafet.

mais suñu président aussi moo xam ne taxawal na benn programme bu rafet am gis bu rafet pour jàppale askan bi te yaakaar naa ne ñun ñëpp suñu taxawaay ak suñu pas-pas ak suñu bëgg-bëgg loolu la war a nekk donc maa ngi leen nuyu leen sant.